xamné ne sage-femme d'État day yëngu ci mbirum wér yar mu jigen lolo tax ñu bayé suñu yitte suñu lepp ñëw lan ngir sensibiliser population bi ci li nga xamné moy euh, les cancers gynécologiques moy les cancers du sein ak cancer du col ku ne xam on est au mois d'octobre rose ku ne mois octobre rose rek le mois de sensibilisation mais aussi qui euh, mois de lutte contre les cancers gynécologiques surtout le cancer du sein Lolo gën depuis le début du mois ba léegi nous, yendaluñu nous fu nous Faut que la population bi wo nañu fi dañ fay dem tuuti gi ñu am ci gi ñu am xam-xam ci mbir mi dañ leen ko partager sensibiliser leen ko ngir lan ñu mën a fàggandiku ñaari cancer yi nga xam ne mi ngi gaañ jigéen ñi mi ngi gaañ mag ñi mi ngi gaañ ndaw ñi donc looloo waral suñu taxawaay fii tey. cancer du col de l'utérus ak euh, cancer du sein dina fi jóge fi ci Sénégal ndax ku ne xam na ni référentiel bi képp ku ko lire képp ku ko xam xam ni santé bi occupé na fi ben place bu ama ama ama am solo référentiel euh, Sénégal 2050 bi xaw di nga xam ni santé bi occupé na fi place bu ama am solo donc nak ñun ñëpp ñi ngi ñaan ñu fexe bu ñu delluwaatee ci kër yi ñun ñii ñi nga xamante ni ñoo nekk jàmm gën ñee ñoo nekk Pikine képp fi nga xamante quartier boo mënti nekk ngay sensibiliser ña fa nekk jigéen ña fa nekk ak mag ña fa nekk xale ya fa nekk ñëpp ñu mën a ñëw di def eh, di dépister wu di def dépistage bi di pour pour pour pour cancer bi mën fi jóge quoi. waaw euh, ñun waa Pastef nag ku ne xam na ni ñun moom dañuy waajal avant mbir yi di jot ñun depuis boobu ba léegi ñu ngi ci terrain bi. ndax yaakaar naa ni quartier yëpp kenn ku si nekk fa nga nekk yaa ngi fexe ba activité ya nga fa war a def muy porte à porte muy lépp li nga xamante ni war na njojal rek ba nga xamante ni militant yi bu ñu leen woowee ñëpp ñëw ñoom ñi ngi koy def fa ñu ne tey lii nii am fii nii tey jii nii wane na ko parce que waa jàmminaar liggéey nañu waa lew na waa oculaire ak ñeneen ak ñeneen liggéey nañu liggéey bu ama am solo ndax ñun moom ku ne xam na ni si don de soi lañ nekk si don de soi lañu comme vous l'avez si bien dit il s'agit d'une initiative euh, d'un cadre de concertation de cellules comme nous avons tendance à le faire, on a organisé beaucoup d'activités par rapport au curage des caniveaux, par rapport également à une circoncision qui a fait un tollé, tant au niveau local que national. Bien entendu, aujourd'hui, nous tenons aussi à lancer un message comme quoi nous ne devons pas garder, comme disait Césaire, l'attitude stérile du spectateur. Nous sommes des patriotes, tout ce qu'on veut, c'est effectivement euh, faire ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple, c'est-à-dire être toujours sur le terrain, euh, montrer aux populations que avant qu'on ne soit au pouvoir, nous étions là à côté de vous Bien entendu, aujourd'hui encore, nous sommes au pouvoir, nous allons être à vos côtés, nous allons tout simplement poser des actes pour essayer de changer votre bien-être, de changer vos conditions de vie. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous avons jugé opportun de créer euh, une activité sportive dont l'arrière-plan c'est quoi L'arrière-plan c'est l'Octobre Rose. Et qui parle d'Octobre Rose parle du mois de la femme, parle d'un mois où euh, on a tendance à faire des activités de sensibilisation par rapport à toutes les formes de cancer. Donc aujourd'hui encore, les populations ont répondu massivement. Les cellules de Diaminar, Candegar, Léon Auclair, mais également de Medina Course de Guinaouraï ont mobilisé. Les gens ont pratiqué du sport. Il y avait une ambiance grandiose comme vous l'avez pu le voir à travers les images. Mais par-delà tout cela, euh, les sages-femmes qui étaient là ont pu transmettre le message selon lequel la pratique sportive contribue euh, efficacement à la réduction du taux de cancer. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous disons que PASTEF est toujours dans la même dynamique. PASTEF n'a jamais changé. Et si on continue à appuyer véritablement le président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko, effectivement, le Sénégal va changer. On n'avait jamais vu cette forme de politique. Euh, on avait tendance à mobiliser les gens, à leur donner de l'argent. Aujourd'hui, nous avons pu montrer qu'il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, il faut essayer, autant que faire se peut, de soulager les populations. Ce que nous avons fait aujourd'hui le montre à bien des égards. Effectivement, on ne va même pas parler de notre cellule. On va va parler de la coordination départementale, de la coordination communale, à l'accoutumée, avant qu'on ne fasse cette activité, on a eu à discuter avec notre coordonnateur Modou Menguey. On le remercie de passage. On a discuté avec tout le monde, y compris toutes les cellules. Mais aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation de la cellule de Djamogun. Euh, Mme Diara, effectivement, a apporté une participation. On n'attend pas ça d'elle. Mais ça montre que tout PASTEF est solidaire. Aujourd'hui, on s'est solidarisé. Mais le message qu'on a lancé, c'est quoi On n'est même pas encore de plein pied dans la campagne. On n'a pas attendu que la campagne commence pour qu'on fasse des activités, pour qu'on mène des activités. Ces activités que nous menons, nous les menons avant la campagne, nous les menons pendant la campagne, nous allons continuer à les mener après la campagne. Donc euh, le message qu'on tient à lancer, c'est quoi Il faut qu'on continue à se solidariser, il faut qu'on continue à se mobiliser, il faut essayer autant que faire se peut d'accorder une majorité à l'Assemblée nationale au président de la République. Parce que ça va lui accorder ce qu'on appelle les coups de franche. Ça va lui permettre de dérouler les bonnes politiques de la nation. Euh, donner quelqu'un, comme on a tendance à le dire à mine. on lui a accordé véritablement les pouvoirs qu'il a présentement, cela dit qu'il est le président de la République, mais on doit aussi lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ça va continuer véritablement aux différents projets de loi qu'on va voter pour pouvoir changer le vécu quotidien des populations. Qu'il y ait un apaisement pendant la campagne. Mais les gens qu'on voit là, on comprend forcément. C'est les gens qui ont été au pouvoir pendant 12 ans, qui n'ont absolument rien fait. Ils ne sont en train que de montrer véritablement qu'ils agonisent. Ils sont dans l'agonie, ils sont dans leur dernier retranchement. On les comprend.